aujourd'hui le thème euh, sur lequel nous allons parler porte sur comment gérer et prévenir euh, le stress chez les jeunes le stress est une réaction psychologique de l'organisme pour s'adapter à différentes situations rencontrées au cours de la vie. Il est considéré comme l'un des fléaux de notre époque à tel point que des adolescents connaissent des situations de burn-out, c'est-à-dire euh, se sentir euh, les vraiment. Le stress a envahi tout les euh, de la société, du travail euh, jusqu'au sein de la famille. Selon l'OMS, le stress peut avoir de nombreuses causes, y compris des difficultés d'ordre personnel, c'est-à-dire des conflits avec des êtres chers, la solitude, le manque de revenus, l'inquiétude par rapport à l'avenir, des problèmes au travail, conflits avec des collègues, un travail extrêmement exigeant, ou précaires ou encore euh, des menaces importantes au sein de la communauté, c'est-à-dire des violences, euh, maladies, absence de perspective économique. La liste est vraiment longue, hein, <laughs> Selon les spécialistes, les conséquences du stress sont multiples et cela peut affecter notre comportement, nos émotions et notre euh, système immunitaire. Alors comment savoir quand une personne est stressée Quelles sont les conséquences du stress et comment gérer notre stress. Peut-on le prévenir Stress stress Eh bien les amis, la réponse à ces questions c'est dans un instant avec euh, nos invités du jour que je vais laisser se présenter tout à l'heure. Euh. surtout n'oubliez pas chers auditeurs, tout ça, la fada c'est de la chronique, de la musique et une rubrique rose. Alors, je commence par toi qui est à ma gauche. Tu peux te présenter à nos auditeurs et eh, Bonjour euh, à nos auditeurs et auditrices. Je euh, et Maïmouna Garba et Daranga Maïgine Mafari, donc euh, Mafari entreprise avant promotrice au Sénarango Hangan. Maïmouna Jarga Irgonda, bonjour. Moi c'est l'artiste El Fonto. Mhm. Je dirais le président de la République indépendante de la KOTG. Ok. Voilà. Et à l'état civil, El Fantôme, c'est qui À l'état civil, c'est Jafar Abba. Enchantée, El Fantôme. Et à côté de lui, nous avons Rekia Boubé, vice-présidente de l'association Ardeyeso. Bienvenue. Et à côté d'elle hein? euh, Moi, c'est Ademou Hamani Husseini, je suis euh, psychologue clinicien à APBE, Action pour le bien-être. Enchanté et bienvenue à tous euh, dans notre, euh, sur notre chère FADA. Chers auditeurs, aujourd'hui, nous sommes là pour parler du stress, c'est-à-dire la Kaltunei. C'est pour ça que nous nous sommes installés dans la vallée de Guntiena, histoire de s'éloigner un peu du stress. Et je vous rappelle, le thème, c'est comment gérer et prévenir le stress chez nos amis jeunes. Memouna, je commence avec toi. Oui, son dîner, la où ifo de nonu wonig ma zai ne lakal tunai wa kai bin bin hasarau da ne goma zama sai liya sa za zabor lakal tun automatically bor binag sintin ga sara bor ga furo eh, alhalikan ma zai bor la sabai go furcara nigdi bor fulan zama ga furcara bor la sabu go furcara bor ga hamu ma zai man cewa alhaliki don dinin watu kulu kenan hayadin za a bar kulkan gimbai wato da jin fur alhali wadira a bai kan fulano haifoduwa kenan ai automatic man wadin inda za bor lokalo ton kenan bor bina murade kul fur bor sai tara fa mun non beg fug lokal tunega arade no ergo mbo ifono ni ndanga ni ngi explique se ifono ni ndanga ga ya fi to ko zeta <laughs> eh ai mira mazai mat kan borai ne bai boru haifo kan bor fo tenis ingino gini lakalai tunan di to ai wasi tele contraire ai won hunkunan da suba murade ingini no gele kale tunandi murade di bagu mu idake dake dake wato kan irsin da kan gini organisation wato kirsin ga borai irsin ga borai bine sara ai kul kan nirmite irgine o solanta no irgo to wadin won hunkunan da suba kadir ko maze ba guruno hunkuna har molotta ga suba har molotta ga hali koy lokaci kai ni fo ni gidi gurodin a gayeri mhm. da yeri mu fasilmo za wani na kara kere to ya dindo ta kare amma a tulanci ka irmo sun a'a kan irgi hinno irgi sambo kan irsi hinmo oh, irgi fahaman da burase irga giskan gana irmu sudu furla kaltuna dira zama tanke lokale tun bine tunu kenan murade furbor sai chara madalla Fantôme, euh, nous, oh, tu es un artiste. Du coup, souvent, vous êtes euh, tout le temps stressé. Est-ce que tu peux nous dire la première fois que tu es monté sur scène Il faut une manga ah, moral. Le stress, ça a commencé depuis quand Bon, la première fois de Kessington stressé, je dirais, c'était la première fois que j'ai le micro au studio. Hmm. Que Kessington a enregistré mon premier son. Là, j'étais stressé parce que j'étais avec les gars et plein de gens qui ici C'était la première fois que j'ai Music côté quoi. Du coup, ça me stressait quoi parce que vas-y, déjà un, je suis un débutant, j'étais un débutant plutôt. Que car le micro avant, je tremblais de la tête aux pieds. <laughs> Voilà. jusqu'à jusqu'à l'arrangeur m'a chassé même. On est garé nous carrément à la de rentrer à la maison. Aime quoi, aime bosser, aime bosser après je reviens. ok <laughs> ne bendega kia ni la kalbai gutun wal su chukoi ni me expliquer que cette situation fo dimrano

I senting stressé parce que je me disais que déjà il a annoncé les réseaux sociaux bon voilà il objectif oh, voilà il va mais il mon four il noro donc vraiment a de stressé parce que je ne pouvais même pas manger j'avais une perte d'appétit carrément Je suis ba igo sarangai seno ai sigma parce que wela sabo igo wat cool wedding bo matina igite mai ne koy gidi matina igite pour que haya de me débloquer il me donne rodin dans une semaine parce que il faut qu'il me donne rodin dans une semaine il promettre orphelinat c'est quand il ya chine de ya chine haya de vraiment je peux dire que stress extrême kaido association wora c'était ça je reviens euh, vers toi euh, Yusha toi tu es étudiant est-ce que tu as déjà été stressé plusieurs fois même parce qu'avec les <laughs> études là <laughs> avec les études là université o mondile de no quoi à chaque fois worgi mi a woso visa go de ton ton quoi à chaque fois vous le connectez ton no quoi Je reviens vers vous, euh, Monsieur Ousseini Adamou, vous êtes psychologue bientôt en, en thèse. Dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui cause autant de stress chez les jeunes Il faut des nos guides dans la kaltune bobawara. Eh, en kanga bord dans la kaltune rao agbagungu. zama lakkal tunai ka arango di harno kan ir sin kamo rambo ir ba bafuna kul lakkal tunai no ingano gana irma irma ko gine zama da lakkal tunai sino ni sihin ka ni ka kokari ti ko gine parce boro eh, shantero kan juro ka sin tin podium karum lakkal din kan amma ingano nan aninga bondi ani aigi hin aigiti hankan ga lakkal tunai da hanfoya aga agobora wani takaroga borfoyan wo iftakaraideno yakin haifo kain kuligin lakal igini aga agini lakal tunandi kwen dani lakal tunandi isi keci kojini igitan ni lakalo gen kitun bodin du hay gomni har ni be wadinga mena lakal tuna da bagumo haya kan gin lakal tunandi wat kulni go gadiya ni go diya wodi no gana amma haifo Amadou Fodaniga Hamora. Eh, notre psy, quelles sont les conséquences euh, du stress chez une personne La Lakaltune, il faut des nagin kandi, andameze. Eh, Lakaltune ou agin kande, eh, agin kande, genti, gahamoni, des maladies physiques quoi. Parce que, din lakalogo tun watkulu, ni gahamo, système immunitaire kayegiti, isbe matni gine zarmsaniga, aga zumbuno. Donc, din système immunitaire au zumbu, dolno zakent kain fo ka pali kain fo da ka furo pa aske palio gabo aga bise palio ga aga toni se diabetes hypertension mala dore o kul karan godi bayan kan isi ba bai ga wato hay kulno si kanda kala kaltone ya dinga eh, si gingine eh, stress wala kaltone o dorino eh, dabor man ci dorino parce que agoru won ba funara lakkal tuna kan hin ka dori kan hin kan da dori kici lakkal tune kan wat kulnu go lakkal ra. kulnu go lakkal tunera a hin ka kan da dori ga ham wani wal bon wani bon wona kiti agen kin gan girbi ni sin ki girbi ambori agen kin ni sin ki goro ki goy follonte din sin tin goy woni ni muta madi woni woni isba be hankani got agen kin ni mudinyan zani go lakkal tuna ra kan ban wat kulu din hay fogi suba din ha ni siba be nan kago c'est ça qu'on appelle l'oubli partiel agen kin bor mu ki abor kan abinagtun wat kul bin bibera nago donc arandi wala agin kande nindi bore sin fam dikeram boda de rano ni go nindi bore wat kul aranga yenge goyo kan ni gba te ni sate zama dindi wane mutan wane dindi wane mutan wane mhm. inganda goy te règle problème to nan kai ga gare mu Ok, nous avons compris. Nous allons faire une pause pour écouter notre rubrique rose euh, du jour et on revient juste après. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Dans la rubrique rose de ce dimanche, avec moi, Rookie, dans l'espace santé et bien-être, nous découvrirons l'importance d'une douche pour le bien-être. Dans l'espace beauté avec moi, Fanta, on combat l'acné en deux temps, trois mouvements. Enfin, en cuisine avec moi, Bibi, on verra comment rendre les pâtes de maïs et de mil plus intéressantes en bouche. Bonsoir mes chéris, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre fidélité à la rubrique rose. Dans cet espace santé et bien-être, je vais vous parler de comment prendre une douche agit sur votre bien-être. Nous savons tous que ça fait du bien de se doucher, mais à quel point Prendre une douche chaude. Elle a un effet relaxant. L'effet détente immédiatement ressenti va vous permettre de relâcher toute les tensions musculaires. La chaleur de l'eau a une action sur la peau en dilatant les pores de cette dernière, ce qui a pour effet d'en favoriser le nettoyage. Ainsi, les toxines qui pourraient la ternir et l'engorger sont éliminées. Alors, la douche chaude, quel risque Une température trop élevée lors d'une douche peut entraîner quelques désagréments tels que le dessèchement de la peau qui peut alors se mettre à tirer, sensation très désagréable conduisant au relâchement des fibres élastiques, régénérant alors plus facilement l'apparition des rides. Attention mes chéris, la douche chaude peut être déconseillée chez les personnes souffrant de graves problèmes circulatoires. Maintenant, la douche froide. La science a prouvé que les bénéfices d'une douche froide agissent sur l'humeur. Quelques minutes sous l'eau froide suffisent à créer dans le cerveau un afflux Électrique agissant contre l'effet dépressif. Des endorphines sont sécrétées et l'effet anti-stress de ces hormones procure une sensation de bien-être. Les soirs de canicule, une douche froide prise avant d'aller se coucher aide le corps à baisser sa température et favoriser donc naturellement le sommeil. Attention. Attention mes chéris, les douches trop froides sont à bannir car peuvent causer un choc thermique et d'autres conséquences grave. Rocky, ce que je sais parce que je l'ai déjà testé, c'est que l'eau froide sur le visage aide à resserrer les pores et ça fait un bien fou au visage. Après, tu as un visage euh, beaucoup plus frais, plus détendu. ça, ça, je le conseille. Alors, on passe à l'astuce beauté. Comme promis, les filles, aujourd'hui, je vous livre quelques astuces naturelles pour se débarrasser des boutons d'acné. Mais j'insiste, si ça persiste, il faudrait bien consulter un médecin. Astuce numéro 1. Le vinaigre blanc. Prenez votre coton-tige et imbibez-le de vinaigre blanc. Ensuite, il faut tapoter la partie imbibée sur l'acné et on répète le geste au moins trois fois par jour jusqu'à ce que le bouton s'assèche. Astuce numéro 2, la tomate fraîche. Elle, c'est une excellente alliée contre l'acné imprévu. Avec tout ce qu'elle contient comme minéraux et vitamines, notamment CEA, ces légumes a des propriétés anti-infectieuses, nettoyantes et cicatrisantes sur la peau. Le sel marin, c'est le sel de table qu'on utilise dans nos cuisines, en fait, il a de nombreuses propriétés pour la peau. D'abord, grâce à sa texture granuleuse, le sel est un ingrédient idéal à mélanger avec vos produits de beauté quotidien pour exfolier en douceur la peau. Pour l'utiliser, il est conseillé de mélanger le sel marin avec un peu d'eau, ce qui fournira une pâte. Ensuite, il faut l'appliquer sur le visage et frotter doucement. Pour finir, on rince abondamment avec de l'eau. L'astuce suivante, les glaçons. Il faut bien nettoyer la zone du bouton, la faire sécher à l'aide d'une serviette propre, il est recommandé d'appliquer ensuite le glaçon pendant quelques secondes et répéter aussi ces gestes 3 à 4 fois par jour jusqu'à ce que le bouton soit complètement guéri. Merci Fanta, merci euh, pour tes astuces anti-boutons. On passe à la cuisine. À présent, amis jeunes, hier les sauces gombo et feuilles étaient à l'honneur. Aujourd'hui, on s'occupe de l'accompagnement, qui est généralement les pâtes de maïs et de mil. Première astuce, avoir une pâte bien lisse au kafa sans le procédé de filtrage traditionnel. En effet, juste en tamisant la farine avec le tamis en tissu, on peut obtenir une poudre plus fine à laquelle on ajoute de l'eau pour obtenir la consistance de la pâte qu'on veut bien lisse. Voilà. Et euh, je vous conseille aussi d'améliorer le goût et la texture de vos pâtes de maïs et de mil en ajoutant un peu d'huile lors de la préparation. Le goût est nettement meilleur. Un peu de farine de blé lors du mélange de la farine rendra vos pâtes beaucoup plus digestes. Mm. Enfin, pour les plats bien colorés, euh, si on veut avoir un côté amusant et fun de nos pâtes, vous pouvez ajouter un peu d'huile de palme rouge ou de la poudre de curcuma pour une pâte euh, un peu jaunâtre. Euh, ça, peut, ça peut changer de la couleur blanche. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, on se dit à la semaine prochaine pour encore plus d'astuces avec nos chroniqueuses de la rubrique rose. Excellent début de semaine. Chers amis de la FADA Fongandi, nous nous sommes installés aujourd'hui euh, sur la vallée de Guntiena, tout juste dans le nouveau jardin public qui est à côté de la Sony Bank. Et ce débat se poursuit avec euh, nos chers invités. Alors, je poursuis euh, avec mes questions. C'est toujours avec vous, notre psy, parce que vous allez d'abord commencer, mais je suis sûre que les autres aussi peuvent me donner quelques petites réponses par rapport à ça. Selon vous, techniquement, comment gérer le stress euh, pour gérer le stress, euh, d'abord il faut identifier la source du stress. Qu'est-ce qui cause le stress chez, chez la personne Lorsqu'on arrive à identifier la source, on agit directement sur la, sur la source. Donc euh, la deuxième chose, euh, c'est d'avoir vraiment une vision positive des choses. Il y a des auteurs qui disent que face à chaque obstacle, il y aura une réussite devant. Donc il faut faire face. Donc il y a Donc eh, eh, des systèmes de des, techniques de concentration. on est de certains musulmans préfèrent prier dans une situation vraiment très débordée, prier ou bien faire euh, ce qu'on appelle euh, les tasbahs. voilà, c'est vraiment des techniques culturellement partagées. Maintenant, il y, a, plusieurs techniques de gestion de stress. Il est conseillé euh, de faire le sport. Le sport est très, très, très important pour la gestion du stress et encore euh, d'écouter très bien la musique. C'est là où vraiment je suis très content qu'il y a déjà un, artiste devant, devant nous, que euh, l'activité qu'ils font est très, très, très, très importante pour la gestion du stress. Il faut chercher vraiment un endroit très, très calme. Vous voyez, les téléphones sont des sources de stress. Appel, appel, appel, appel. C'est des sources de stress. Prends au moins une journée, éteins ton téléphone. C'est compliqué. Il y a quelqu'un qui a lâché les yeux. J'aurais aimé que cette émission très compliqué. C'est très compliqué. <laughs> Mais oh. c'est pour ta santé. Elle ne peut pas. Sinon, c'est le burn-out. Tu attends, tu reçois, tu vois un peu. C'est pour se reposer. Moi, si tu m'appelles le week-end, c'est pas pour le travail, mais arrête. C'est mon temps de repos. Je veux continuer avec toi qui a trop attiré mon attention. <laughs> <laughs> Comment tu fais j'essaye ai mu koiga salan euh d'abord quand c'est là que les tunandi mhm. ai maman mhm. ai koiga garno je la prends par des sujets tout ce qui me passe par la tête ai me parce que au moment où je suis en train de parler avec elle ai gidrinya hay kan stressé da fahamin ga kan stress no kan ai elle se met à me raconter des trucs. Ah, il faut inge famille, zanka, des trucs comme ça. Elle me, en fait, elle me coupe de situations où Congo est stressé. Quand inge en mondora et j'oublie vraiment mon stress. Ça m'arrive aussi, avec inge carré de Parce que, en discutant avec les enfants, tu vois l'innocence et haikul sigi stressé zankono ga fatani se 14 heures amne ngo koite foot nim na se asigi di wayna amne sing bafo ing il est pas stressé du tout parce que ngo kawai a vie ora am koy ballon au 14 heures c'est important pour lui mm. donc dingo cela avec les enfants ngo discuter han fon tu apprends même que haifo go ga tenge vie ora donc tu n'étais pas au courant pourtant c'est des gens qui sont avec toi au quotidien ngo arongo wind fo lankara c'est très bien vraiment darongo no borkan waran jerga kan vraiment borno kan hanga naran se mm-hmm. darongo stress extrême ra aram couper mm-hmm. aram ko fa kare de bora aram ging in ba explique ya sai kan garan sire se wi za matkan mai mun gici no haya ikai ne zufo no aran no go ga samu hayi bambata fu kan bora ga jere aran se sonda sonda aran bisa haya ga mm. nimbinde el fantôme niginga femme dit c'est maintenant nig tegin la kaltuna gérer da comment tu gères ton stress comment tu fais quand tu es stressé bon moi j'ai deux sources de stress bon mhm. mes deux grandes sources de stress je vais dire la mhm. première c'est quand je reviens à la maison à 13h et que il m'en m'ont de hauro ah. Ah, Là, je pète un câble direct. <laughs> je commence. En <laughs> fait, la deuxième, c'est avant de monter sur scène. Du coup, c'est pour cela, à chaque prestation, quand je vais, je suis en meute, je vais dire. Je mhm. viens, à chaque fois, je viens avec mes gars. Mhm. Du coup, avant de monter sur scène, on mange. On mange, on mange et on se met dans une salle vide comme ça. Mhm. On se met à crier, on parle de tout. en fait, on fait du n'importe quoi. Du coup, on se met dans le bain avant de monter sur scène. Mhm. Et là, quand je monte sur scène, je suis avec les gars. Mhm. Du coup, ça me rend un peu, un peu à l'aise, je vais dire. Parce que le stress, ça quitte jamais tant que je ne suis pas à la maison. Voilà. Euh, Moi, je, reviens là, Dis-moi, comment tu fais pour <laughs> gérer ton stress, toi euh, gérer mon stress, euh, c'est comme je l'ai dit euh, précédemment. Il suffit juste de minimiser la situation mhm. face à laquelle je suis. Mhm. Il m'arrive parfois, une cliente m'appelle pour me dire dans telle minute elle veut un produit mhm. et que j'appelle le livreur, il me dit qu'il est à Niamey 2000 ou Kwartegi et elle, elle est à Harobanda. Face à cette situation, je fais comment C'est moi qui suis au milieu. Il y a la cliente ici, il y a le livreur de l'autre côté. Mais il suffit juste que je, trouve les mots pour euh, expliquer à la cliente, voilà, le livreur ne, sera pas disponible, mais si elle peut patienter d'ici 30 ou 45 minutes, on peut lui livrer si elle est d'accord. Mais avant, je ne fais pas ça. Il faut que je dise au, livreur, est-ce qu'il peut m'envoyer quelqu'un Est-ce qu'il peut me trouver quelqu'un Et la cliente est là, elle attend. Mais finalement, j'ai compris que non seulement je me stresse, et je, stresse également le livreur. Oui, exactement. Donc, le temps de... donc, il, faut, il faut minimiser la situation. Pour moi, il suffit juste de qu'on discute. Que ça soit avec les clients, que ça soit avec le livreur, que ça soit avec d'autres partenaires, c'est juste la discussion. Ok, Nibinde et Yusha, comment tu fais pour gérer ton stress Stress, Surtout par rapport au module là. Au module. <laughs> bon, c'est comme a dit le docteur, hein, le stress là, quand tu es stress, il y a beaucoup de modules tu n'arrives pas à les lire. Euh, tu es bourré quoi, dans la tête, ça va pas. Tu vois que ça rentre pas. Tu pars jouer au ballon ou bien tu fais ton sport quoi. L'autre, c'est d'aller à la fada, quoi. Causer avec les amis. Genre, euh, vous amener des sujets, n'importe quoi. Déjà à la fada, la causerie ne manque pas. Euh, ce qui m'amène maintenant euh, vers vous, euh, vous êtes psy, je le rappelle, pour que les gens comprennent. Quand vous répondez à des trucs techniques, là, faut pas, ils vont confondre. Vous êtes jeune, c'est vrai, mais il y a des <laughs> jeunes qui sont là et il y a aussi notre psy. Dites-nous tout à l'heure, il y a Memouna qui a dit que client fo mingi cheni haga amne sonda sonda ninga ba jina fo livre ko mo baka him kondi jina inga mo go hal nongo fo de de chemin vraiment opposé quoi ça to dina ne ingi di kat kat ne ni ni singa wasi sambe se bo fo wadi nga stressé aga livre go stressé to son ana inga sigite yadini wadi no nan ay fuk la sab fo yanga ay mo yadi nga stress wo nigi inga bo fo contaminé ah, par exemple, je suis stressé. Est-ce que je peux contaminer tous ceux qui sont autour de moi par mon stress C'est possible euh... Je suis vraiment euh, je suis d'accord avec euh, les étapes qu'elle a suivies pour vraiment gérer son stress, c'est comme ça. Au tout début, on a l'impression que les choses ne vont pas euh, bien et puis on a une vision négative des choses, mais après, elle a quand même une vision positive. Elle, elle est raisonnable face à cette situation. Maintenant, pour répondre à ta question, eh, stress haut. Du Borgo stressera, Niginka, beaucoup de gens contaminé. Mhm. Zama, eh, matkan nigoga mila matkan di ok, mm. patron mm. eh, eh, une responsabilité pathogène par exemple un père stressé une mère stressée da a eh, nya agon stress probablement ils ils aiment stress mm. de babo gon stress ils stressé da patron service d'eau, da hmm. ago stressé aga a wannan eleman stressé parce que a gini hagoi kan isin agon pouvoir hmm. te yakin te yakin objectif est ka gini nok bagum quoi du coup finalement ils vont échouer hmm. finalement ils vont parce que ils sont dirigés par un euh, responsable qui est vraiment stressé mhm. niveau go mhm. donc beaucoup kulkan ni gonda stress ni gonda boren kango ni ni kirawo mhm. ingem boda di man hago i woni stress so ni woni stress so gudu wala imdu boren kango fatta parce que borfon gon kan si pression o di igne vraiment igdera non ni eh, service foera service foera démission bobo gono di gonda patron kango no problème stress wani digi be kulkan ka c'est pas un problème, vraiment ak bon c'est mm. ndeno am bu stress ora stress ma ko <laughs> bon mm. avec ne boro la dame elle a dit mm. moi même des fois ça m'arrive mm-hmm. quand je pars au studio on me fait une bonne instru et je viens sur le micro il y a rien dans ma tête j'ai aucune inspiration du coup les gars qui m'accompagnent et l'arrangeur en personne lui-même il commence à stresser ils sont stressés ils se disent que ah, aussi, moi, elle m'a géré, il la quoi. Mm. Parce que là, au studio, c'est moi qui gère la situation. Mm-hmm. Du coup, il faut chercher quelque chose à boire ou à manger. Et il m'a aidé à bouffer. dans la chambre avec le son à fond. Voilà. Et des fois, je passe toute une journée comme ça. Des fois, je passe toute la journée comme ça. Il n'y a rien dans la tête. Voilà. Donc, je reviens toujours vers vous, Adam Ousseini. Dites-moi, est-ce que nous sommes responsables de notre stress euh, Bon, les stress ou on n'est pas responsable parce que c'est naturel. Mhm. Harno kan agoiru on bafunara. Euh, euh, harno kan irga sambu source de stress euh, pathologique souvent ça dépend de la personnalité boray donc no amin gana mo notre manière de voir les choses c'est ce qui fait que souvent on est on est stressé on n'est pas souvent responsable c'est la situation qui qui l'impose d'être stressé mais maintenant c'est comment gérer le stress souvent Comment gérer le stress Quand tu vois les choses du, du mauvais côté, donc euh, regarder les choses voilà, positivement, effectivement, alors, euh, nous allons faire une petite pause. Nous, à la fin, pour déstresser, on écoute de la musique. Sur ce coup, je te fais confiance, Kader. Tu nous choisis une très belle musique pour déstresser dans cette émission. Mon frère, dis jamais que j'en ai marre, mon frère, où que tu sois, ici même ou quelque part. Dis-toi qu'aujourd'hui ou demain j'aurai ma part. Lève ta tête, et regarde l'image du ciel. Le jour, soleil, soleil et la nuit, c'est les étoiles. Après la pluie, c'est le beau temps qui s'entame Inspirons-nous de ce mystère naturel afin de bien saisir que chaque chose a son time. Apprécie ta petite vie, remercie Seigneur car il a toujours aimé tout ce monde d'ici-bas. Tu gars quand elle va t'appeler les deux ailes. Tu partiras jusqu'au fond du septième ciel. Tu goûteras au bon goût du miel. Espère mon frère, garde vous comme on s'en taille. Machala, il que ça te dire qu'on baille. Y'a que Fosino, il que ça de dire qu'on baille. il que ça de dire qu'on baille. Y'a que Nous sommes encore de retour dans notre émission. Je vous rappelle notre thème euh, euh, comment euh, gérer euh, et, prévenir le stress chez les jeunes Je passe à ma seconde question. Selon vous, docteur excusez autant pour moi, psychologue, <laughs> <laughs> exactement. Selon vous, comment on peut faire pour s'éloigner du stress Y a-t-il une solution Bon, j'ai dit ça à plusieurs reprises. Hein. Donc, dans un premier temps, il faut voir les choses du bon côté. Ok, et comment le prévenir alors Maintenant, pour les prévenir, il faut les identifier. Parce que quand tu n'as pas identifié la chose et tu n'as pas, eh, tu n'as pas eh, de connaissances sur la chose, tu ne peux pas eh, la prévenir. D'accord Donc, c'est pour identifier les sources de stress, euh, avoir une vision positive des choses et puis. Euh, voilà. Super. <laughs> Alors, <laughs> quel conseil donnez-vous euh, aux jeunes pour que, euh, et aussi tout le monde en général, par rapport à cette situation de stress Parce que vous nous avez expliqué qu'elle fait partie de notre quotidien. Euh, au fait, le stress est indispensable pour l'adaptation, le développement et le fonctionnement de l'organisme. Mhm. Donc, le stress est inévitable. Mhm. Sauf quelqu'un qui est, comme on dit, au cimetière, qui ne va stresser, mhm. D'accord oui, bien sûr, parce que Hanseli <laughs> eh, l'a dit. Il a, il a dit que seulement celui qui est au cimetière qui n'est pas stressé. On est d'avoir une vision positive des choses. Mm. Tu vois, moi, moi, en fait, à mon avis, je vois que le stress là, même moi, d'un côté, je vois que je dirais pas c'est c'est de notre faute, mais comme ça vient comme ça, on peut pas l'éviter. Mhm. Je vois que genre quand tu dures dans le stress, là c'est de ta faute. Parce que moi ce que je fais, comme le stress on peut pas le prévenir, c'est du genre des problèmes qu'on peut pas mhm. contrôler comme ça, ça vient comme ça. Ça vient c'est naturel. Du coup moi, je pense que quand tu as un problème en face de toi, tu dis, tu te dis de réfléchir avant d'agir. Moi tu vas durer dans le stress et là ça peut te causer de différents, je sais pas, différents malaises comme ça. Mhm. Moi, ce que je fais personnellement, quand j'ai un problème comme ça devant moi, je fonce direct. Je me dis, j'agis avant de réfléchir. Parce que quand j'agis direct, j'ai déjà une idée de ce que ça fait. Du coup, si c'est négatif, je reviens en arrière, je reprends. Mais moi, je me dis, sans souci. C'est selon sa, personnalité. Voilà. parce que je me dis, je donc du coup, je me dis que si je dis de si je me dis de prendre le temps de réfléchir. Hmm. La, ah, tu sais, c'est la réflexion, qui jeu, tu vois. La, réflexion, même le fait d'agir, tu as réfléchi avant d'agir, hmm. mais en fait, on peut pas, tu peux pas eh, découvrir cette réflexion. Le fait de dire je vais, mais tu as réfléchi. Hmm. Donc c'est parce que tu as mais ça prend pas du temps comme euh, Oui, mais <laughs> voilà quoi. <laughs> okay. parce que euh, ça c'est une des émissions que j'aime vraiment avant même que ça ne finisse. <laughs> c'est très enrichissant, vraiment. Tout qu'on a diverses personnalités, on est tous différents, on a chacun notre façon de voir les choses. Du coup, là, on va écouter euh, Olivier avec euh, sa chronique du jour. Amis auditrices et auditeurs, bonsoir. Quand on parle des réseaux sociaux, ici on connaît tous Facebook, TikTok, Instagram. Mais je peux vous rassurer, très peu d'entre nous connaissent LinkedIn. Si l'essence des réseaux sociaux reste le divertissement, il y en a qui sortent du lot et proposent des contenus exclusivement professionnels. C'est le cas de LinkedIn, ce réseau social développé en 2002 par des jeunes américains et racheté par des géants de la technologie Microsoft en 2016. Encore aujourd'hui, très sous-utilisé par les jeunes nigériens, LinkedIn reste un des réseaux sociaux qui allie cours pédagogiques et des contenus professionnels. Constatant que le divertissement a pris le dessus sur les réseaux sociaux classiques, une start-up nigérienne avait organisé le samedi passé une rencontre professionnelle dénommée LinkedIn Local locale Niamey. Rencontre fun, au cours duquel plusieurs jeunes ont pris connaissance du réseau social. Désormais, pour les conseils, pour réussir son entretien d'embauche, comment parfaire son CV, cher ami, vous savez où aller. Amis auditrices et auditeurs, s'il faut se connecter avec son méga Internet et dépenser son énergie, son argent, pourquoi ne pas le faire dans un sens bénéfique, dans un sens où on y va pour gagner quelque chose, comme celui de l'apprentissage et du réseautage professionnel. Eh bien, LinkedIn est le réseau social que je vous recommande pour votre employabilité et l'extension de votre réseau professionnel. Partagez les bons plans pour réussir sa carrière, c'est aussi à cela que sert la chronique d'Olivier dans la fada du studio Kalangu. Amis jeunes auditrices et auditeurs, je vous souhaite un excellent week-end et surtout bon début de semaine. D'ici là, portez-vous bien, paix, lumière, amour sur vous et on se retrouve sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao. fada hangan kai da fukta gai su giro kan studio kalangu gutu nan da hagan do ai garan fanda gai da kagan karan dangir hangan za emission o sintina kala kagato ne wo kan irban et je vous rappelle qu'on est à la vallée de Guntiena il fait frais on va bien on a déstressé dans cette émission on a échangé c'était vraiment très enrichissant arama hankan psychologue Adamu euh, Usaini ci irse doko bon iginga sambu mazai dori ko en hagno kan ago irbafne ga hankunda suba ine da mantik buno stress et vous avez aussi écouté l'avis de nos invités. Nous avons eu un artiste, nous avons eu une euh, entrepreneur qui est tout stressée par ses clients. <laughs> Elle fait trop de la peine. Nous avons aussi euh, une gérante d'association et aussi un étudiant trop débordé par ses modules. <laughs> C'est ici que nous allons vous dire au revoir et ça fait au week-end prochain, Inch'Allah.